jërëjëf euh, Pape Dafal dañuy daw wutali tay bañ a seen fekk fa monsieur Mbodj tey bañ a seen jury 708 Mbodj maa ngi laa nuyu. waaw. oui allô. Mbodj. oui bonjour. oui bonjour naka tay ba. nous sommes à Taïba Niassène. jury 708. donc mbokk auditeurs yi ñu ngi fële ca Taïba Niassène docteur leen lépp loo xam ne xibaar la fa lu tukkee ci jury 708 li nga xam ne composé foofu président jury bi ci ndimbalu monsieur Mbodj. nous allons passer à la proclamation des résultats. Vous entendez Oui. C'est bon. C'est bon, oui. Ok. Du lycée de Taïbanyasen. Jury qui était composé de trois séries, L', L2 et S2. Mais avant de proclamer ces résultats, nous voudrions donner une information à l'endroit des admissibles. Les candidats admissibles, c'est-à-dire qu'ils doivent subir les épreuves du deuxième groupe, sont invités juste après la proclamation des résultats à venir récupérer leur relevé de notes pour pouvoir choisir les matières qu'ils devront faire pour le second groupe. Et il faudra, n'est-ce pas, choisir deux dominantes et une non dominante. Pour ceux qui sont admis d'office, nous vous demandons de laisser vos camarades qui doivent passer le second tour récupérer leur relevé. C'est-à-dire, il faut laisser ces gens-là qui ont une seconde chance venir récupérer leur livret. Vous vous attendez. Voilà, donc c'est compris. Voilà, très bien. Donc, ceci dit, je vais laisser M. Zumbia, qui va procéder à la lecture, à la proclamation des résultats pour la série R'1. Et je voudrais noter aussi que ce n'est pas par ordre, mais vous allez entendre assez bien, passable, bien, etc. Donc, euh, ne vous gênez pas pour ça. À la fin, M. bien vous avez. Allô Nyo Direct ah, ah d'accord. Donc, donc, Bonjour tout le monde. Ah, donc nous, allons à la des résultats du premier du bac qui est fait au lycée Taïbanyasen, nous allons passer à la proclamation des résultats pour la série L'. 50 989 Baba Karnias, lycée Taïbanyasen. 50 992 Samba assez bien, lycée Taibanyasen. 51 3-0 au quartier passable, lycée de Taïba-Nielsen. 51-204. El Haj Abdounia, passable, lycée Taïba-Nielsen. 51-011. Adjan Patoutam, passable, lycée Taïba-Nielsen. 51-012. Patoutam, passable, lycée Taïba-Nielsen. 51 016 Sapoucham, passable, lycée de Taïbanyeter. 51 018 Mambaï Drame passable, lycée de Taïbanyeter. 51 022 El Haj Ibrahim Gaï, passable, lycée de Taïbanyeter. 51 024 Ousmane Nian, mention ACC, lycée de Taïbanyeter. 51 033 passable Bakhoum de Massam 51 042 Makat Diop mention passable lycée de Taïba 51 049 Nafi Gay mention passable lycée de Taïba 51 052 Ibrahima Nya Mention assez bien. Lycée de taïba 51-053. Mam Asloyan. Mention passable. Lycée de taïba 51-062. Mam Asloyan. Mention passable. Lycée de taïba 51-063. Yamanyas. Mention passable. Lycée de taïba 51 068 Embaçou. Baixou Tata. Interessei Banheta. 51 067 Ibrahim Atiam. Manchon Tata. Interessei Banheta. 51 066 vingt zéro dix neuf Mame Khady Dramé lycée Taïba Niassène cinquante un zéro vingt Famata Fall lycée Taïba Niassène cinquante un zéro vingt un Khady Fall lycée de Taïba Niassène cinquante un zéro vingt trois Gala Diop école privée laïque El Hadj Ibrahima Niass Baye cinquante un zéro trente satu satunya Haji Ibrahim menyesai. Sengkante sengkante satu sore bisa detai menyesal. Sengkante zero terangkat kumbat bitai. Ekol prive naik El Haji Ibrahim menyesai. Sengkante zero terangkat El Haji Lamin Dabu. vice de Taïba

56 Fatou Dramé lycée de Taïba Niassène 51 047 Dame Gueye école privée laïque El Hadji Ibrahima Niass Baye 51 048 Mbodj Gueye lycée de Taïba Niassène 51 051 Papi Niang lycée de Taïba Niassène 51 054 Ousmane Niang di seede Taïba Niassène 51 064 Ousmane Salane di seede Taïba Niassène 51 065 Ami Sall di seede Taïba Niassène 51 071 Ahmad Thiam di seede Taïba Niassène 51 083 Maguette Ndiaye Thiam ñu seddee Taïba ñetteel 51 088 day Fatou Thiam ñu seddee Taïba ñetteel 51 089 day Fatou Thiam ñu seddee Taïba ñetteel 51 091 Nafi Tunkara ñu seddee Taïba ñetteel fin de liste Ça, c'est, la série L'. Maintenant, maintenant, nous allons procéder à la série L2. Proclamation des résultats pour la série L2. Jury 708. Résultat par numéro de table. qui se paye, 51 51, 289. Isso é bom, velho. Maintenant, après, après nous allons vous faire le, la situation des lieux. Uh Monsieur Mbouy Vous allez maintenant le nombre, le nombre, le nombre admis d'office dans les différentes séries. Uh-huh. Et le nombre d'OC aussi dans les différentes séries. Allez-y. D'accord. Monsieur, okay. Monsieur Mbouy Oui. Je vous tuuti parce que Medina Sabakh ñu ñuy xaar. Et Vous di nga mën a wax olof comme ça parents d'élèves yi ak ñi nga xam ne aussi mënuñoo teewlu gi fii mën koo comprendre. waaw waaw bi résultat yi génnee. Uh-huh. vraiment constaté nañ ne vraiment résultat yi fii moom euh, baax na quoi. ok baax na waaw. surtout au niveau de la série uh-huh. foofu la admis ëppee. ok ma

ok d'accord merci. voilà merci beaucoup monsieur Mbodj mom ñu togal fele ci tay baña sen jury 708 deug pap ni ma xamante ni noonu résultat yi wàccee foofu ca Taïba Niassène euh allah euh, dalagum na xel Pape sax firndeel nako résultat yi baax na lool fofu ci tay baña sen lool nak ngi ko doon rek barki demb ne kat euh, Porokhane ak Taïba Niassène moom wax dëgg Euh, at bu nekk ñu xamee nañ leen ci genre situation yi ni bu ñëwee ci examen yi moom xale yi wax dëgg yàlla euh, seen résultat yi dañuy gis ne dafay baax lool tey bañ seen firndeel na ko léegi nii waaye it fi nga xamante ni tamit foofu lañ jógee ko léegi di lycée Baba Diakhou Ba ci jury 712 foofu tamit résultat yi wax dëgg yàlla dalagum na xel léegi-léegi nag ñu wutali fële ca post euh, Kër Ayib ci wetam dëkk bu ñu amee dina sa baax

mu jox ñu li nga xamante ni moom mooy euh, résultat définitif yi maanaam série bu nekk ñetti série yi nga xam ne ñoo composé foofu di L2 L prime ak S2 bi euh, ginnaaw proclamation yu am solo yi nga xam ne dund nañ ko foofu ñu xam exactement série bu nekk ñaata ñoo fa jàll d'office ñaata ñoo dem deuxième tour ak ñaata ñoo fa doon composé foofu ca tey ba ña seen Pape Dafal gunge. RIP FM 88.7